Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour du déplacement mardi 25 octobre du président de la République, Bazoum Mohamed, sur le site de construction du barrage de Kandaji dans la région de Tilaberi. Ensuite, nous parlerons de la visite du Premier ministre Oumoudou Mahamadou à Difa pour apporter le soutien de la nation aux populations impactées par la crue exceptionnelle de la Komadougou Yobé. L'actualité, c'est aussi la déclaration rendue publique euh, lundi 24 octobre par le syndicat national des revendeurs euh, de gaz après la fermeture euh, de certains points de vente de gaz dans la ville de Niamey par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir à Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abakari Arimi, bonsoir. Mokhtar, bonsoir. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir et au, quotidien La Mouria aussi. Ah, félicitations. Merci. Euh, nous attendons d'un moment à l'autre euh, Maimouna Diado à la modération. Je suis Mokhtar Amadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 28 octobre euh, par la visite euh, du président de la République euh, Bazoum Mohamed sur le site du barrage de Kandaji. Le chef de l'État était mardi sur le site de construction du barrage de Kandaji. Il s'agit de lancer les travaux de construction de la ligne haute tension de transport d'énergie Kandaji vers Niamey, rapporte l'agence nigérienne de presse euh, du 24 octobre. Cette ligne haute tension visera à sécuriser l'alimentation électrique du Niger à travers la fourniture d'environ 600 gigawatts d'énergie à faible coût de la région du fleuve. Le niveau d'exécution des travaux est de 25% à ce jour. Gary Amadou, l'objet de ce deuxième déplacement du président de la République, Bazou Mohamed, après celui effectué le 10 septembre 2021 et le lancement des travaux de construction de la ligne haute tension de transport d'énergie Kandaji vers Niamey. Je l'avais euh, mentionné tout de suite avant de visiter le chantier de construction du barrage. Les Nigériens sont-ils en droit d'être rassurés cette fois-ci? Ah, je crois que cette fois-ci, on peut dire que euh, vraiment euh, c'est la bonne. Parce que le projet Kandaji, c'est un vieux projet qu'ont caressé pratiquement tous euh, les dirigeants qui sont succédés à la, place, à la tête du pays. Salut Jibo l'avait relancé. Vous venez de dire que cette fois-ci, c'est la bonne. La... Pourquoi vous, Oui, cette fois-ci, c'est la bonne parce que moi, j'ai eu la chance de visiter le site un mois avant l'arrivée du président, c'est-à-dire que le mois dernier, quoi. J'étais sur le site, j'ai vu le travail abattu par l'agence du barrage de Kandaji. J'ai vu comment est-ce que euh, pratiquement les techniciens et les ouvriers sont en train de travailler pour faire en sorte que le délai de 2025 soit respecté. Et donc j'ai dit que c'est la bonne parce que c'est un vieux projet qui a commencé qui a, été en tout cas euh, euh, rêvé par la plupart des dirigeants qui sont à la, tête du pays. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, Salou l'a pratiquement relancé, mais avec ce qu'on a connu comme catastrophe, avec les comiques de, d'entrepreneurs de, de, russes là qui sont venus. Non, mais qui, qui sont venus s'amuser ici pendant. Ils poussaient rien du tout. Juste, on met une dalle et puis voilà, ils se sont bah, pratiquement amusés. Ils nous ont joué de la comédie et puis ils sont partis. Le projet était en léthargie. Le président Issouf, quand il est venu, il l'a relancé. Euh, le président Issouf a voulu bien que sous son mandat, sous ses deux mandats, que le barrage de Kandaji puisse finir. Mais malheureusement, il n'a pas pu Qu'est-ce qui n'avait pas marché en, ce temps-là Bon, je ne sais pas. Peut-être que euh, euh, je ne connais pas les, les, les, raisons qui ont fait que ça n'a pas marché. Mais une chose est sûre, c'est le président Issouf qui a installé l'agence du barrage de Kandaji. Donc, cette volonté-là de matérialiser ce vieux projet-là était là. Donc, en installant l'agence du barrage de Kandaji, le président Issouf a pratiquement jeté les bases, cette fois-ci, de la réalisation effective de ce barrage. Et quand le président Bazoum est venu, lui aussi étant essentiellement, étant fondamentalement convaincu de, du bien fondé de ce projet, de son utilité pour la population nigérienne, pour le développement économique de la région et du pays, et pour euh, l'autosuffisance en matière énergétique du pays, il a continue à appuyer ce dossier. Il a visité le chantier, il est reparti pour, euh, non seulement pour lancer la centrale électrique, mais certainement pour encore voir si entre ces deux visites, quelque chose a évolué. est-ce que la nomination du professeur Issouf Katambe est un gage de bonne foi euh, pour la réalisation de ce vieux rêve Ça, c'est incontestable parce que euh, pour qui connaît le professeur Issouf Katambe, c'est quelqu'un qui est d'une rigueur irréprochable. C'est quelqu'un qui n'aime d'abord pas euh, le, travail, le travail mal fait, qui n'aime pas le travail bâclé et qui aime que le travail soit fait dans les délais impartis. Et on peut compter sur lui pour qu'en 2025, là, comme il a été programmé, pour que l'agence, euh, pour que le baril de candidature voit le jour. Moi, j'étais sur le site, j'ai vu le travail qui a été fait pour dévier l'eau du fleuve, créer un bras, pratiquement, créer un bras du fleuve. J'y étais aussi. mais c'est fantastique le travail de, euh, des gens de l'agence euh, du, de, l'ABK. C'est fantastique le travail. Et quand vous voyez le moyen qui sont utilisés, des, des, digues qui sont faites, une autre digue qui est construite, tout simplement pour permettre d'avoir le flot d'eau nécessaire qui peut permettre au barrage, lorsque les turbines vont fonctionner, de produire de l'énergie. Vous dites que vraiment ça, c'est pas un petit travail. Et heureusement, les partenaires qui sont en train de soutenir l'institution, la Banque mondiale et d'autres, vraiment sont là pour appuyer. ils ont, lorsqu'on avait effectué la visite, c'était avec l'expert de la Banque mondiale, le représentant résident de la Banque mondiale, il avait constaté effectivement que les travaux se déroulent normalement et il était extrêmement épaté. Maintenant, peut-être que l'autre volet qu'il faut suivre et, qui, s'est bien déroulé la phase 1, c'est la phase de réinstallation des déplacés. La phase 1 s'est bien déroulée, la deuxième phase est en train d'être préparée et il faut espérer eh, que ça se déroule bien. Mais au vu de ce qu'on a constaté, moi je pense qu'en 2025, on verra le barrage fonctionner. Abachar le barrage de Kandaji est l'élément central d'un vaste programme de régénération euh, des écosystèmes et de mise en valeur euh, du fleuve Niger dont l'objectif assigné est d'assurer la préservation et la revitalisation des écosystèmes fluviaux, l'augmentation des productions agricoles et énergétiques, mais aussi euh, pour stimuler les emplois et ouvrir des perspectives économiques. Un projet euh, restructurant pour le Niger eh Évidemment, c'est notre rêve euh, d'enfance. Sous Kunche, on en parlait, on disait que c'était 200 milliards. À l'époque, 200 milliards, c'est énormissime. C'est pratiquement le budget du Niger et tout. Et aujourd'hui, si on parle euh, déjà de la dernière visite, euh, c'était du Premier ministre ou c'était qui On nous parlait de mise à eau, parce que passer ce délai, ça ne saurait se faire que l'année prochaine encore des trucs comme ça. C'était le, on avait déjà félicité le professeur euh, Katambe pour. Euh, qui cas, qui a mis. Ça, en fait, il a rendu l'ouvrage visible. on nous rend compte au fur et à mesure. Il y a aussi de la communication qui, voilà, qui, qui est aussi faite. C'est extrêmement important, ça nous rassure sincèrement. Et bon, pour qui le connaît, pour avoir dirigé déjà euh, Tawa Sakola. Euh, à, l'époque, on avait déjà rappelé. C'est la seule fête, en tout cas, autour de laquelle euh, il n'y a pas de scandale qui a tourné encore, on n'a pas entendu. Voilà. Et on connaît qu'il est passé au Donc les Nigériens sont en droit de rêver. De, rêver. Moi, j'y rêve sincèrement. J'espère que le bon Dieu va nous prêter longue vie pour qu'on voit ça. Parce que j'ai envie de savoir on me dit que ailleurs il y en a deux, quelque part il y en a trois dans un autre pays. Et quand on nous miroite ce que ça représente en termes de production agricole, en termes de production d'électricité, mais c'est ce qui nous rend pauvres. On n'arrive pas à manger, à s'autosuffire au plan alimentaire. il semble qu'on peut produire suffisamment pour nourrir tous les Nigériens, pour que le riz du Niger soit disponible pour tous les Nigériens, qu'on n'importe pas à des milliers de kilomètres, du riz ça c'est déjà quelque chose. En plus de cela, euh, tout ce qui est arbre fruitier. Oui, mais à au, au, temps de la construction de la raffinerie de Zander, les gens avaient quand même porté un grand espoir. Mais au finish, les Nigériens pensent qu'ils achètent encore les hydrocarbures chers ici au Niger. Il y a deux semaines, j'écoutais sur une radio internationale, euh, non, sur une chaîne internationale de télévision, euh, que le Nigeria risque d'être deuxième producteur euh, africain d'hydrocarbures parce que tout simplement de 1 million de barils, le Nigeria va passer à 900 000 barils jour. On est à 9 à 20 000. OK euh, Ça ne saurait changer substantiellement notre vie. Je suis entièrement d'accord. Mais au dire du ministère des Mines, on pourrait avoir passé à 100 000 barils n'est-ce pas Vu notre population qui n'est pas si géante que ça, on peut s'attendre à du changement. Et ce que Tanja a fait, c'est ce qui est important, ce qu'il a imposé, l'exploitation de notre pétrole. Et tout le monde est convaincu que c'est du pétrole. Et tout le monde était étonné en son temps qu'il y ait du pétrole au Tchad, au Nigeria, en Algérie, en Libye, et qu'il n'y ait pas chez nous. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y en a à provision et qu'on peut exploiter. Donc, on va passer à cette étape-là où je crois que ça va. Le ministre des Mines a promis que ça sera 50% de notre produit, intérieur brut. Et c'est substantiel à ce moment-là. Obligatoirement, ça va impacter notre oui, vie. Oui, euh, concrètement, au sujet du barrage euh, du Kandaji, quelles sont concrètement les attentes des Nigériens Écoute, euh, nous, Nigériens, on ne va jamais remercier assez le Nigeria qui nous supporte. Ça fait, on a 62 ans d'indépendance et on a l'électricité plus que beaucoup de Nigériens, n'est-ce pas Plus que beaucoup de Nigériens grâce au, euh, à l'électricité que le Nigeria nous donne. Mais... Euh, à bas prix en plus. À bas prix en, plus. Mais je pense qu'il y est temps. On sera à 25 millions, 30 millions d'ici 10 euh, ans certainement n'est-ce pas Il est grand temps qu'on ait une source substantielle vraiment d'électricité et on nous a dit que si barrage de Kandaji marche, on pourrait même vendre de l'électricité à l'extérieur. On va goûter à ça. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir tonne d'électricité Concernant le carburant, je vous assure, j'étais à, en Algérie il y a quelques, quelques années. Euh, tous les taximans disent que leur taxi fonctionne et à l'essence et au, gaz. Et des, véhicules hybrides. Hybrides et qui te consomment les deux produits, oui, mais aussi qui a un coût vraiment très négligeable. C'était à moins de 100 francs le litre. OK, mais si on atteint ça, que le dirigeant le veuille ou pas, on va l'imposer d'ici là, certainement ce dirigeant qui va nous respecter, mais ça va influencer notre vie. Les choses vont s'imposer à nous, notre vie va sincèrement changer. C'est notre nature qui l'offre. Je pense qu'on doit mettre le nécessaire pour que on fonctionne vraiment avec notre électricité. Nigeria, j'ai dit qu'on les remercie, mais ce serait encore mieux. Je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs que Memouna vient de nous rejoindre dans ce studio Ah, bonsoir. Bonsoir, Moukta. Memouna que peut-on savoir encore au sujet du déplacement du chef de l'État sur le site du barrage du Kandaji mardi 26 octobre passé euh, Ce qu'on peut retenir, euh, d'ailleurs, c'est déjà une bonne chose, très bonne chose, parce que je me rappelle, ça fait au moins deux fois qu'il se rend là-bas au niveau donc du barrage de Kandaji. Ils ont dit qu'il euh, y a un délai qui a été fixé. 2025. Euh, Maintenant, il est parti constater le niveau d'exécution et également pour faire la pause de la le lancement, des, travaux des, travaux, de la, ligne haute tension. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça veut dire ça, ça prouve que le gouvernement est en train de travailler, en tout cas pour que 2025, pour que nous puissions euh, véritablement avoir notre propre énergie électrique en 2025. Et c'est une très bonne chose. Nous ne pouvons que les encourager à aller de l'avant. Et mais ce qu'il faut retenir, il faut qu'il fasse, il faut qu'on fasse un travail exceptionnel. Donc c'est pas un travail où il faut encore revenir. Si c'est un travail pour tout simplement euh, donner en 2005 ou bien remettre en 2005, moi je me dis qu'il faut étudier. En 2025. il faut étudier très bien, euh, en tout cas, euh, la construction de ce barrage pour qu'on n'ait pas à revivre comme les autres installations. Vous connaissez de quoi je parle. Donc il ne faut pas qu'on revienne à la case de départ. C'est un souhait de tous les Nigériens avoir leur propre énergie électrique et ne pas dépendre d'un autre pays voisin. Et je pense que ça, euh, le président de la République l'a compris et il est en train euh, de s'atteler pour que véritablement ça soit concrétisé d'ici 2025. Vous êtes optimiste Bon, je, je, suis, je ne peux pas dire que je suis totalement optimiste, mais ce que je vois, c'est que euh, on a l'espoir, on a l'espoir que d'ici 2025, on a l'espoir comme tous les Nigériens d'ailleurs, parce que c'est quelque chose, c'est un chantier qui dure, euh, qui a tellement euh, drainé l'espoir des Nigériens. Euh, que maintenant, ce que nous voyons avec les va-et-vient va et vient donc euh, du président de la République, on se dit que peut-être que ça, ça, ça, sera vraiment finalisé et que c'est l'espoir qui est là. Vous voulez insister tout de suite au sujet de la qualité de l'infrastructure Mais justement, la qualité de l'infrastructure, c'est pas, on a vu, on a réceptionné des routes, on a réceptionné des échangeurs, on a réceptionné beaucoup d'infrastructures ici au Niger où, en moins de deux ans, il fallait revenir encore regarder, pour retoucher. ces infrastructures. Donc je me dis que c'est un joyau. Donc ce joyau, il faut prendre le joyau là euh, dans le, la, normal des choses, faire un bon travail où tous les Nigériens, parce que c'est une continuité tous les Nigériens, en tout cas, vont apprécier la nature donc, de ce joyau. Mais la qualité de ce joyau. Mais je me dis, c'est la qualité. c'est la qualité. L'histoire, c'est le projet Kandaji est directement attaché à la présidence de la République. D'ailleurs, c'est ce qui gonfle le budget de la présidence, souvent quand le budget ah. dans la loi de finances. Et donc, euh, c'est bon de retenir ceci oh, aussi. Voilà, merci, merci à tous. On a trouvé une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou était le samedi 21 octobre à Difa où il a rendu visite aux populations touchées par les inondations survenues à la suite de la crue exceptionnelle de la Komadougou Yobé. Gary Amadou, que faut-il savoir ou retenir au sujet des inondations qui affectent durement les populations de la région de Difa Il faut d'abord saluer le déplacement du Premier ministre quand même qui a qui, voulu, qui a voulu en tout cas partir, euh, en tout cas prendre la température de ces populations-là qui ont souffert de ces, de ces catastrophes-là et à eux leur apporter la compassion et le message aussi que l'État va aider à ce que euh, ce qui est dégradé soit reconstruit et, que ces événements ne puissent plus avoir lieu. Maintenant, euh, ce qui s'est passé est extrêmement regrettable, mais moi je suivi un peu le gouverneur de la région de l'IFA euh, sur une télé qui, bien, avant... l'arrivée du Premier ministre, qui s'indignait du fait qu'il avait alerté à maintes reprises le ministère de, de l'équipement par rapport à la dégradation de, de, de, cette route-là qu'il fallait tout simplement réhabiliter pour lui permettre de résister. Au, euh, mais il n'a pas été attendu. Il a parlé d'un coût de 17 millions que le ministère de l'équipement n'a pas pu honorer et on est arrivé à la catastrophe. Conséquence, c'est que la catastrophe est arrivée. Maintenant, il faut dépenser encore plus pour non seulement réparer, et pour soulager les, les populations sinistrées. Donc vous voyez, alors qu'on pouvait éviter ça si son appel avait été entendu. Bon, c'est vraiment regrettable. Euh, on ne va pas euh, passer tout le temps en train de pleurnicher, c'est regrettable, mais c'est aussi une leçon pour l'avenir. C'est-à-dire que puisque c'est une catastrophe naturelle euh, qui est survenue, est-ce que le gouvernement a les moyens pour contrecarrer euh, ces genres de catastrophe Écoute-moi écoute très bien. C'est-à-dire que le gouverneur de la, de la région du Difa a dit qu'il y avait ce risque-là si la route n'était pas réparée. Ah, en amont Oui, il avait dit, il faut bien avant. bien avant. Et donc ça veut dire que c'est pas, c'est pas de la, c'est pas de la magie. tu as que si c'est pas réparé, on risque d'arriver à ça. Donc c'est pas qu'il a fait de la sorcellerie. ça veut dire qu'il avait déjà alerté. On s'est alerté, les techniciens ont alerté. On dit qu'il ah, faut réparer, sinon quand la Koumadougou va déborder, ça va complètement. Et, c'est ce qui s'est passé. Et donc on peut pas dire que là, de ce, point de vue là, surtout que l'alerte a été donnée, il dit qu'il a donné l'alerte, on peut pas comprendre. Oui, parce que le problème, c'est que c'est facile de gâter, mais pour réparer encore, il faut beaucoup, encore plus d'argent. Et, même pour assister les populations Alors que si on avait prévenu, si par exemple les 17 millions-là avaient été débloqués par le ministère de l'Équipement, et si les travaux avaient été engagés, on n'aurait pas eu la catastrophe et on n'aurait pas les populations des familles qui sont actuellement en train de pleurer ou qui, ont pratiquement euh, euh, perdu tout et qui sont obligées d'être assistées. Il n'y a rien de plus terrible que d'être assisté. Surtout concernant la région de Difa. Les gens de fois sont des gens très fiers. Je vous assure que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils vont subir la situation d'assister. Et donc, je pense que, quelque part, moi, j'ai dit, l'État, c'est une leçon pour l'État, pour que, eh, dorénavant, quand, eh, avant l'arrivée de la saison de pluie, quand il y a des alertes par rapport à certains, certains endroits qui peuvent être, euh, en tout cas, sujets à des crues d'eau, et eh bien que des mesures soient prises pour éviter des catastrophes comme ça. Ça évitera à l'État de dépenser beaucoup plus de moyens pour réparer. Merci, Gary Amadou. Abachari Arimi, Adifa, la montée des eaux de la rivière euh, Komadougou-Yobé a occasionné des inondations. Plus de 2000 ménages soit environ 15 000 personnes sinistrées. Comment faire pour véritablement apporter une assistance à ces populations déjà durement éprouvées par l'insécurité ben, Écoutez, les règles en matière euh, d'urgence euh, sont connues. Euh, il faut d'abord caser ces personnes qui n'ont plus d'abri. donc avoir des kits d'abri abri vraiment à distribuer aux gens. Et quand on perd la maison, on perd aussi ce qu'on mange, parce que c'est à l'intérieur qu'on dépose tout ce qu'on a à manger, aussi au champ. Là où la maison a pris l'eau, euh, le champ ne peut pas euh, ne, pas, ne peut pas ne pas l'être. Et donc, il faut vraiment déplacer ces populations-là et, pouvoir vraiment mettre de quoi euh, manger à leur disposition. Ça, c'est l'urgence. Ça, c'est l'urgence. Euh, mais on l'a débattu déjà une fois ici quand il y a eu à peu près 81 morts à cause des eaux de pluie euh, sur toute mhm. l'étendue du territoire euh, national. Eh bien, on sait que ça va venir. L'année prochaine encore, il y aura la même chose. L'eau va venir. L'eau, d'abord, on dit que traditionnellement que l'eau n'oublie pas sa route. Mhm. Ça, c'est un. Et de deux, on est sous euh, cette, actualité brûlante vraiment de, du réchauffement climatique, n'est-ce pas Nous, euh, quelque part, ça nous avantage parce qu'on a plus d'eau, pourvu qu'on sache en utiliser. Et donc, à nous de prendre les dispositions. Apparemment, la digue les a marché. dispositions, c'est construire des digues. La digue marché, la digue de Niamey a relativement marché. Il ne faut pas qu'on parle fort pour que ça cède, mais vraiment, il faut qu'on renforce pour que ça reste en l'état. On doit faire la même chose à Difa. Nous l'avons déjà dit une fois ici. Mhm. C'est faisable. Parce que si on a pu contenir le fleuve, ce n'est pas la Komadougou qui va vraiment, qui va nous résister. Et donc ça, c'est une des choses à faire. Et dès que la crue passe, c'est parce que bon, jusqu'en décembre, ça ne sera pas possible de travailler là-dessus, mais après, ça va reculer. Et la, route de Ningimi, c'est la même chose. en temps normal, sur le goudron, du goudron, tu n'aperçois même pas la Komadougou. Avant. Avant. Aujourd'hui, ça déborde, ça sort et ça vient, ça passe au nord de la, ça coupe, Ça coupe le goudron. Oui, et ce qui veut dire que c'est vraiment beaucoup d'eau qui vient. Et si on a des moyens vraiment de canaliser cette eau, vraiment, je vous dis que c'est une ressource importante. C'est ça qui nous permet de pêcher, c'est ça qui permet de cultiver. Donc l'eau, on ne peut rien faire sans. Mais quand il y en a de trop, on dit que c'est pire que le feu. Et donc on doit pouvoir vraiment canaliser, dompter la nature et en utiliser pour en faire vraiment une source de richesse. Mamouna Diado, selon le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, qui s'est rendu sur place euh, le samedi, près de 2500 habitations se sont effondrées, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Euh, quelles sont véritablement les attentes de ces populations éprouvées D'accord. Euh, d'abord, Dieu merci qu'il n'y ait pas de perte en, vie, humaine. Ça, c'est déjà à, s'en féliciter. mais pour ceux qui ont des habitations, tu l'as dit, euh, quelqu'un qui est sinistré, qu'est-ce que cette personne attend euh, C'est tout simplement le soutien. Le soutien peut être d'ordre moral, le soutien physique, le soutien financier surtout, parce que c'est de ça qu'on parle. Une famille qui est sinistrée, qui n'a rien, qui a tout perdu aujourd'hui pour refaire sa vie, c'est encore plus difficile à cette personne-là. Donc, il faut les approcher psychologiquement d'abord et ensuite de quoi nourrir ces, sinistrés, les loger, c'est très important. Les trois, en tout cas, sont très importants psychologiquement. Est-ce que l'État nigérien a les moyens pour faire face à tous ces défis L'État nigérien euh, n'a pas tous ces moyens-là, en tout cas pour faire face à, tous ces défis. tous ces défis, mais avec l'appui de ses partenaires, l'État peut quand même soulager ses populations en attendant de voir comment est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne suffit pas de leur donner à manger, mais il faut également les rééduquer, les rééduquer à la vie, leur donner, leur permettre de, de faire autre chose pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Donc ce sera un financement euh, qui vont leur permettre de, de faire des cultures de contre-saison après, de faire beaucoup de choses qui peuvent leur apporter, en tout cas, soutien, que ce soit moral. Il y a des familles qui peuvent compatir parce que quand ça arrive à quelqu'un, ça peut arriver. Donc, il y a la solidarité qu'on doit mettre devant. La solidarité, tout un chacun, comme nous sommes, nous devons en tout cas compatir avec, euh, avec la douleur que ressent ces sinistrés. Ils n'ont pas voulu que ça arrive. Mais c'est le changement climatique qui a amené. Les effets du changement climatique. Les effets du changement climatique qui sont là. Donc on ne peut pas faire face à ces effets de changement climatique, mais on peut les prévenir. C'est ça. Tout à l'heure, Garé disait que le, gouverneur avait alerté. Mhm. Mais c'est là le problème. C'est parce qu'il n'y a pas de communication. Et même s'il y a communication, il n'y a pas de retour. Et c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, les porte-parole de ces populations, ce sont bien sûr le gouverneur, le maire et, ceux qui s'en suivent. J'ai regardé dans, à travers les réseaux WhatsApp comment la mairesse, comment elle se déchaînait pour pouvoir amener assistance à ces populations. Mais je me dis que si tout un chacun faisait cela, prévenir avant de guérir, ça serait encore très intéressant. Mais maintenant, le, comme ça urge, il faut leur trouver d'abord des abris. Ensuite, la nourriture, même si c'est pour un laps de temps, au moins qu'ils soient rassurés qu'ils ont le soutien quand même de l'État. L'État est à côté d'eux. Merci, merci, merci, Mamoudou Gado. Oui, euh, je, voulais. Euh, euh, rapidement. En, mémoire une vieille. En août passé, quand j'étais à Difa, elle est passée, poser son problème. On était dans la cour de alternative elle disait que son mari lui a laissé deux chambres, n'est-ce pas Et elle a un enfant. Elle dit que l'enfant ne vaut rien parce qu'il est actuellement en prison. Son toit ne retient plus l'eau. Si elle reste là-dedans, ça va tomber. Je suis sûr qu'elle n'a plus de et donc, en ce moment précis, l'image de cette femme-là m'est revenue et ils sont des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui sont dans cette situation-là. Vraiment, c'est juste que j'ai pensé à ça. Gary Amadou, rapidement. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, euh, il y a en réalité cinq besoins pour ces gens-là. Il y a l'habitat, il y a la nourriture, il y a l'assistance sanitaire, l'éducation et l'eau l'eau potable pour L'eau potable, ce sont les cinq là. Ce sont les plus importants. J'ai entendu, mais Mouna, euh, euh, moi pour moi, il faut qu'on se, débarrasse de ce, comporte, de ce comportement à vouloir, même pour des, des, trucs que l'État peut gérer, mhm. qu'on dise qu'il faut appeler l'extérieur. 2500 personnes, l'État peut gérer ça. C'est vraiment pas, on n'a pas besoin de l'appui extérieur. Vraiment, ce sont. Non, non, franchement, ce sont de, ce sont de, considérer que dès qu'il y a un truc, il faut qu'on tende la main. Non. Il faut qu'on sache. Voilà. Une mère patrie. 2500 personnes Ah non. Mais ça, là, il faut qu'on appelle quelqu'un pour venir nous aider. 2500 personnes Non, non, non, vraiment, on n'en a pas besoin. Gary Amadou, le Premier ministre a également annoncé euh, des mesures euh, d'urgence prévues pour euh, ces populations sinistrées, il l'a dit. comment éviter de telles catastrophes à l'avenir C'est très simple, c'est comme ce qu'a dit Arimi. En des, digues. Mais bien sûr, mais il faut, faut pas attendre, il faut protéger. C'est-à-dire que dès que la saison de pluie finit, n'est-ce pas Dès qu'elle a la décrue, il faut profiter pour continuer à construire ces digues-là. C'est ça seulement qui peut nous permettre. Ça a marché à Niamey, comme il a dit, ça peut marcher partout. Donc, partout où il y a des potentiels euh, soupçons de. Voilà. Donc il faut trouver des moyens pour pouvoir construire des trucs qui peuvent en tout cas empêcher à l'eau de déborder et d'envahir les villages et les tout. En dehors des habitations, il y a même des rizières et des champs de poivrons qui le sont terrain à Diffaville et alentour, le terrain est plat. Il est plat sur vraiment des dizaines de kilomètres carrés. Et euh, donc l'eau qui vient euh, si ça commence à couler dans la ville, ça peut aller n'importe où, s'il y a une grosse quantité. Ce qui fait que la Komadougou, il faut, il faut vraiment la bloquer, n'est-ce pas, lui empêcher, en tout cas sans notre vouloir, de rentrer dans la ville. Sinon, ça va, ça va déborder parce que c'est une ville plate. Vous avez vu pendant la saison de pluie, toute façon c'est joli tout autour. En fait, c'est parce que c'est plat. Et donc, il faut tenir compte. Là, la population a choisi depuis des dizaines d'années, des centaines d'années même, de s'installer et de créer son, sa ville. Et ça y est là, et il faut donc vraiment, euh, vraiment protéger d'abord de l'eau de la Comadougou Et le reste, je crois que c'est gérable. Merci à vous tous. On a fait une courte pause. La suite euh, de ce forum euh, de la presse, euh, suite à la fermeture de certains points de vente de gaz dans la ville de Niamey par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, le syndicat national des revendeurs de gaz, dans une déclaration lundi, condamne la fermeture et lance un appel au gouvernement pour trouver une solution rapide à cette situation. Abakari Arimi, cette déclaration fait suite aux sanctions de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie RC infligé à certains centres emplisseurs et points de vente du gaz pour euh, des graves irrégularités. Que faut-il comprendre au sujet de la production et de la commercialisation du gaz domestique au Niger Écoute, euh, moi je ne suis, ça m'arrive très rarement, euh, je ne suis pas d'accord de dire du syndicat quand ils disent que non, ils ont des employés, non, ils louent des espaces. ils, ont, des familles à gérer. tout le monde a une famille à gérer. Mais le prix, il est toujours proportionnel, le prix de vente est toujours proportionnel au prix d'achat. C'est aussi simple que ça. Comment comprendre ce refus, le gouvernement a calculé ce n'est pas vraiment au Niger que ça se fait, c'est partout que, c'est comme ça. Le litre de, de, carburant, pour lui donner son prix, n'est-ce pas On fixe tout et le prix de l'acheteur qui va prendre à Zender pour venir nous vendre ça, ces bénéfices sont déjà connus. C'est la même chose pour le gaz. Le gouvernement a fixé les 12 kilos à, euh, à 3750. On nous vend, qu'on le veuille ou non, à 5000 francs CFA. Comment, oh, comment on ne peut pas l'accepter on ne peut pas, personne ne peut, on ne peut convaincre personne. C'est une augmentation de 33%. Ce n'est pas de la spéculation, c'est vraiment de la magie. Cette alors qu'au niveau, des hydrocarbures, que le gasoil et l'essence, les gens respectent. Oui, mais donc vraiment euh, qu'ils nous convainquent, qu'ils nous disent vraiment concrètement qu'est-ce qui leur, va, qui leur empêche de vendre au prix normal fixé par l'État. Quand on dit que le savon de Marseille, à l'époque, c'était 150, c'est 150 que tu peux ailles habilement ou n'importe où. C'est la même chose. Et d'ailleurs, ceux qui ne comprennent pas nos vendeurs de gaz, s'ils vendent au prix fixé par le gouvernement, je vous assure qu'ils vont en vendre beaucoup plus, que ça va leur permettre de rattraper le retard qu'ils ont sur la vente à 5 000 francs. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, je vais utiliser ma bouteille de gaz doucement parce que c'est 5 000. Le jour où on va me dire que réellement, si le petit va, on va lui vendre ça à 3750, je peux euh, ah, ah, oui, je n'utilise plus de bois. N'est-ce pas Celui qui ne peut pas acheter le 3750, s'il doit prendre à 1800 les 6 litres, les, 6 kilos. kilos, il va les prendre. Mais quand tu imposes à quelqu'un nécessairement qu'il lui faut 3000 francs au lieu de 1800, s'il te plaît, est-ce que c'est correct Sincèrement, ils ne peuvent convaincre personne. Oui, vos enfants sont nos enfants, c'est les enfants de tout le monde, on a des familles comme vous, nous qui achetons aussi, parce qu'on ne prend pas l'argent quelque part, pour nous aussi on enlève, celui qui achète, il prend de sa poche pour te le donner. Donc des arguments, c'est toujours tes besoins pour gérer ton entreprise, tu les crées en fonction du bénéfice que tu veux. Sinon, tu laisses tomber l'activité. Mais tu ne peux pas venir dire que tu emploies des gens, que, que c'est pourquoi il faut vendre à 1733% d'augmentation. Est-ce que le problème ne vient pas de l'État, du gouvernement ça, ils ne l'ont pas dit. Nous, on les croit sur parole. N'est-ce pas S'ils avaient dit que non, au fond, l'État nous prélève plus de taxes, l'État nous prélève, nous, vend plus cher que vous nous croyez, on peut comprendre. Mais ils ne nous disent pas ça. Ils nous disent qu'ils ont des charges. Une entreprise qui génère un million, c'est deux employés, c'est trois employés, on le sait. Mais si tu vas utiliser dix personnes, c'est normal que tu ne puisses pas payer les gens que tu emploies. Mais sinon, vraiment, ce n'est pas convaincant ce qu'ils nous ont dit. Le gaz, là, il coûte cher ailleurs dans la sous-région parce qu'ils ne produisent pas. Nous, on a commencé à produire. C'est le seul produit vraiment très accessible pour le Nigérien qui peut en plus protéger la nature parce que c'est la lutte contre la désertification. Depuis combien de temps il y avait cette campagne-là Aujourd'hui qu'on a la capacité de ne pas utiliser du bois, du charbon de bois pour faire notre cuisine, on ne nous le permet pas ils sont en train de commettre une erreur grossière, nos revendeurs, sincèrement, à mon avis. Merci beaucoup, Abachari Arimi, Diado. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie dit avoir euh, constaté une hausse injustifiée des prix euh, de gaz, mais également le non-respect du volume euh, de gaz qui est en baisse euh, dans les bouteilles relativement à la quantité normale. C'est que euh, contexte catégoriquement le syndicat national des revendeurs du gaz. Comment expliquer le refus des professionnels du secteur du gaz de respecter le prix fixé par le gouvernement hmm, Mais d'abord, je vais commencer d'abord par le kilo. Hmm. Au, lieu, de 12 kg et demi, il y a certains qui mettent 6 kg, 8 kg. On, l'a vu quand même. On l'a hmm. vu à la télé quand même. On a vu l'autorité en train de peser. Et mm. on a vu comment ça, ça s'est passé. Au lieu de 12 kilos, tu te retrouves avec une bouteille presque vide et qui ne te fait pas le mois. Mhm. Qui ne te fait pas le mois. De, des fois, tu te demandes même est-ce que. Le mois, deux semaines. Oui, ça ne te fait pas le mois, ce que je suis en train de dire. Alors que pour une seule famille, je prends l'exemple, une seule famille où c'est le père et la mère, il n'y a pas beaucoup de choses à faire parce que c'est des travailleurs. Et qu'on dise que 12 kilos ne peut pas te faire le mois mais ce n'est pas normal. Donc, ici, ce n'est pas la première fois que l'autorité se rend sur place. Pour vérifier. Pour vérifier. Je me rappelle, l'autorité l'avait fait en 2021, 2021 je pense mhm, bien. Mhm. Et l'autorité avait donné des avertissements pour qu'ils se conforment. Ils ont refusé. Mais cette fois-ci, je pense que pour des individus, quelques individus, on ne peut pas priver la population, en tout cas du gaz qui est produit ici au Niger. selon, selon vous, l'État doit sévir L'État doit sévir parce que la population, eux-mêmes font partie de cette population. Ils font partie de cette population. Donc je ne vois pas en quoi aujourd'hui, parce que l'autorité a dit, voilà le prix fixé, vous refusez. Non, si l'autorité dit que... depuis plusieurs années. Hein? Depuis plusieurs années, vous êtes en train de nous vendre le, gaz à 5 000 francs la bouteille. Depuis combien d'années Et nous, nous sommes en train de souffrir. Vous ne regardez pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation, en tout cas, de cherté de la vie. Mais si l'autorité devant, c'est l'autorité qui met. Mais c'est ça le gros problème ici au Niger. C'est que quand l'autorité décide, voilà le prix fixé, il y a ceux qui refusent et qui prétendent qu'ils ont des charges. Mais ces populations-là, si vous ne faites pas en sorte que ces populations achètent la bouteille de gaz à 3750, mais c'est là où il y a difficulté. Parce que moi, si je, l'autorité peut me vendre ça à 3750, mais même si c'est pour faire la queue, j'allais faire, je vais aller faire la queue là-bas. Est-ce que le gouvernement peut euh, passer à des sanctions <laughs> L'État peut passer à des sanctions. Et l'autorité a démontré que il y a des sanctions que ces gens-là courent. Et nous avons vu, rien qu'hier, l'autorité était au niveau reçu par le Premier ministre, où il était parti, en tout cas, faire son rapport, remettre son rapport au Premier ministre. Donc, ça veut dire que les choses sont en train de bouger. Il faut que dans ce pays, qu'on sache que le gouvernement fait les choses non pas pour quelques individus, mais en tout cas pour protéger la population. Et on parle de tout le temps de ne pas abattre les arbres. Nous sommes dans, une, euh, dans, un, euh, dans des effets de changement climatique. Essayons, en tout cas, avec le gaz que nous sommes en train de faire, c'est pas ailleurs qu'on nous amène le pour gaz. protéger la nature. C'est ici pour pouvoir protéger la nature. Mais on refuse de le faire. On voit des gens qui volent la bouteille. Et même si c'est à, deux pas de chez toi, tu, vois, tu achètes la bouteille à 5000 000. Ah, mais est-ce que c'est normal pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, parce que l'État a dit voilà le prix que j'ai fixé, l'État a donné des arguments. Mais si eux, ils disent que l'État, ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas vendre ça à 3500, mais qu'ils sortent pour nous donner des arguments. Combien ils prennent euh, Oui, oui, le gaz au niveau. De, oui. C'est moins que ça, beaucoup. donc, nous, on veut voir clair. Gary Amadou, euh, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a fixé le prix d'une bouteille de 12 kg euh, et demi à 3750 francs CFA et à 1800 francs euh, pour celle de 6 kg et à 900 francs pour la bouteille de 3 kg. Comment amener ces revendeurs-là à respecter cette décision de l'ARC Non, je pense que l'État a bien fait de sanctionner et, je crois que l'association des, revendeurs de, gaz, ils auraient dû se taire. Parce que ces gens-là, ils nous rendent la vie impossible. Aujourd'hui, là, ils ont fait leur déclaration. Personne n'est avec eux. Parce que nous, nous subissons, nous subissons leur dictature. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de partir acheter le gaz. Je leur dis, mais écoutez, je, vais la bouteille. Ils me disent 5 000. J'ai dit, mais moi, je suis un journaliste, je peux en parler. Mais ça ne leur dit rien du tout comprenez C'est pourquoi j'accuse l'État de les avoir laissés faire. C'est très bien que maintenant on commence Pendant à... Pendant plusieurs années. Oui, mais bien sûr, on les a laissés faire. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, ils te disent, mais vas-y, raconter ce que tu veux. Vous comprenez Certains ont même dit que les numéros là qu'on a donné pour appeler, quand on appelle les numéros, personne ne décroche. C'est ce que certains ont dit. Moi, je n'ai jamais appelé ce ces numéros là. Mais ce que j'ai vu, c'est que euh, les, revendeurs de, de, quartier là, ils se considèrent comme des, Vraiment des, intouchables. Mais ils vous, le disent, c'est 5 000, si tu achètes, tu achètes. Si tu n'achètes pas, tu t'en vas. Alors que nous, on sait que l'État a fixé ça à 3 750, la bouteille de 10 kg et, et, la bouteille de 6 kg à, à, à 1800 francs. On le sait. On leur dit ça, mais ça ne leur dit rien. Et donc, euh, euh, leur déclaration, mais c'est une déclaration extrêmement pitoyable. Ces gens-là sont cruels. Ils sont cruels parce qu'ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Et comme l'a dit Arémi, quand l'État a calculé le prix de vente chez les revendeurs là, à 3750 là, c'est que leur, marge bénéficiaire est, en tout cas assez. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Mais comme les gens sont gourmands et comme les gens sont horribles, ils sont cruels, vous comprenez C'est-à-dire qu'ils veulent avoir beaucoup plus. Nous, ils ne nous font pas pitié à hein, leur déclaration là. Ils ne nous font pas pitié. Hein. Ah non, non, non, non. Ils ne nous font pas pitié parce que c'est eux qui nous font subir mais, euh, Amadou, comment amener le gouvernement, l'État à sévir C'est très simple non seulement il faut sanctionner, mais moi je préconise qu'on mette en place des brigades qui peuvent circuler. C'est vrai, ça va coûter, mais il faut trouver un moyen. Ah, oui. Créer une brigade qui peut circuler dans les quartiers. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas euh, euh, placer des, centres remplisseurs un peu partout, dans tous les huit, dans, non, dans, tous les quartiers de Non, même pas ça. Le centre d'accueil des numéros, là, les numéros là, il faut créer un centre spécifique, c'est-à-dire une sorte de, de standard où il y a des gens qu'on va recruter. Des numéros verts. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas un cadre du ministère qui va décrocher ton appel. Non. Créer une structure qui va recevoir les appels là. Parce que les appels là, par jour là, si vous faites la situation là, mais c'est des centaines d'appels par jour. Parce que je vous dis, les revendeurs là, ils font ce qu'ils veulent. Ils nous méprisent, ils nous montrent que personne ne peut le faire. Autre chose. Oui, oui allez-y. Juste un, un, instant. En fait, ils ont un comportement de quelqu'un qui a un monopole. Mais rends-toi compte. Aujourd'hui, qui que tu sois, il te faut avoir au moins deux bouteilles de fournisseurs différents chez toi. Parce que... ça, aussi, c'est une dictature qu'on nous fait. Ailleurs, moi, j'ai vu dans un pays de la sous-région, les gens qui remplissent la bouteille, quelle que soit ta marque, <laughs> ils se promènent dans, le quartier. Le dimanche, par exemple, ils se plantent dans votre quartier, ils ont un mégaphone, ils disent, si vos bouteilles sont vides, voilà, venez remplir, nous sommes là. Et tu sors, quelle que soit la marque de ta bouteille, on te remplit ta bouteille, tu reviens. Mais aujourd'hui, chaque nouveau vendeur, fournisseur qui se crée a sa bouteille. Et donc, si tu veux avoir du gaz tous les jours, il te faut avoir deux, trois bouteilles de fournisseurs différents. Tout ça, c'est de la dictature qu'ils nous font. Mokhtar, euh, rapidement, L'État peut créer des centres, des, des, des, des centres, centres, Oui, des centres remplisseurs publics. Mhm. Il faut le faire. Parce que ces gens-là, c'est pas ça qui va les faire changer. Hein ce soir-là, si tu veux, tu pars partir acheter du gaz là. Euh, ils vont te vendre ça à 5 000. Ce sont des gens qui sont durs d'oreille. Faut pas voir leurs déclarations à la télé là. Ils sont durs d'oreille. Ils, vont, vont continuer à faire ce qu'ils veulent. Donc, il faut créer des centres en puissance publique. Et nous, on va aller s'approvisionner là-bas. On va les laisser. Ils vont tomber en faillite. Puisqu'ils ne veulent, pas avoir, ils veulent pas revenir à la raison. Mais rapidement. rapidement. C'est en fait, euh, je, les mets dans les catégories de ces commerçants aussi véreux. Ou par exemple, il faut regarder. L'œuf, on nous vend ça à 125. Hein? On nous a dit que non, non, il y a pénurie, Aujourd'hui, l'œuf, les œufs, les œufs sont sur le marché <laughs> et le prix de 25 francs là n'a pas été retiré. Merci Donc, ça veut dire que c'est la même chose. Merci Memoun Gado, merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Memoun Diado, journaliste indépendante. Abba Arimi, journaliste à la radio alternative, et Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation et Mouria, vous voulez le dire. merci à vous aussi, à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 52 euh, radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h, 15 samedi, vous suivez le forum en et dimanche, celui en Zerma. Merci aussi à la technique, côté son assuré par Amina Hassan et à la réalisation Issa Lawali. Euh, c'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.